toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Euh, salam alaikum, je suis Khayta Silla, militante féministe. Nous parlons de féminicide. Féminicide, c'est pas rien d'autre. rey Jigen, ci lo sa chobarela. la loolu nak euh, liko andi indi dañu nek ci système patriarcal biñ doon wax bo xamné ne ñi dañuy jigen ñi nañ Euh, yaramu jigéen ñoom ñoo ko moom lu leen neex def leen ci y compris rey leen moo tax bu ñuy wax ne il faut ñu démanteler patriarcat moo il faut ñu jële fi système boobu ndax système boobu mi ngi rey jigéen ñi mu ngi leen di noot mi ngi leen di considérer comme ñoom daal du ñu dara te ku dul dara moom heure bu la neexee mën nga ko rey heure bu la neexee mën nga ko sànq moo tax patriarcat dafa dem dafa nekk système bu dangereux boo xam ne il faut ñu jëlee ko fii il ñu xeex ko euh, Le féminicide, c'est l'homicide volontaire d'une femme, c'est-à-dire qu'un homme a envie d'ôter la vie à une femme. Et ceci participe euh, d'une volonté d'exterminer en fait les femmes de la terre. Et c'est une continuation du système d'oppression que le patriarcat a installé euh, dans, dans la société. Le patriarcat, ce système très dangereux qui oppresse les femmes. Euh, dans ce système, les femmes euh, sont considérées comme des citoyennes de seconde zone et les hommes des privilégiés qui, sont, qui ont un droit de vie et de mort euh, sur les femmes. C'est pourquoi il est important de combattre ce système patriarcal parce qu'il détruit la vie des femmes, il oppresse les femmes, il annihile toute volonté d'affirmation des femmes. Merci. Toute, l'actualité à temps réel, à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.